tey jii mairie Ndar boo ko doon xayma li fi ki fi ne li mu fi jot a def juróom-ñaari at ban xayma ngay ngay def tey. bon ce sera assez difficile parce que dafa nekk euh, gestion boo xamee ne euh, bu muy ñëw déjà en campagne électorale waxoon nañu boppam que lépp dama koy dem wuti ji bu ngeen ma falee danaa dem. ci sama goro mu jox ma ma indi donc moom mi ngi ci logique ba C'est nekkoon. si goro wala si président. de la bon président goro la rek. donc tey bu fekkee ne ne. waaw rafetal ka nag. président de la république waaw président alors. tey bu ñu xoolee la décentralisation bi ñu koy consacré dañu bëggoon xaw a noppal tuuti état daal ne dañuy transférer les responsabilités et l'administration au niveau local c'était aussi pour permettre que localement les ressources et les potentialités maire bu fa engranger de sorte que le développement sera à la base les décisions aussi sont prises à la base base boobu non dafa am solo parce que tay bu fekkee da nga bayiwat base bobu ci central moy que tu consacres même l'échec de la décentralisation et malheureusement avec ces gestions et à travers leur communication politique politicienne bu wax bu ñu dañuy dem indi c'est ça l'échec et que dans la communication foog naa ne war nañu ko sax éviter di wax wala war nañu ko dirus di wax donc boobu mooy un point beneen bi mooy on verra dans quel secteur la réussite am boo ko doon wër ci ndar doo ko gis hmm. boo ko doon xool du doo ko gis et puis c' est c' est assez malheureux que tey. ñu toog ñoom ñuy bàkku place Faidherbe ba ku euh, amoon place fédère bi fii lañ ko fekk ku amoon juróomi at nga pare sa juróomi at gisuñu dara nga jël ñaar yokk ci muy sept ans ba léegi gisuñu dara kooku buñ la joxaatee juróomi at mi doo fi def dara. mais banque bu lox ji suñu dara tali yi nekk. non noor mais tali euh, tali xam nga xam nga xam nga foofu. la démarré programme municipal mais loolu du programme municipal loolu c' est pas c' est pas c' est pas c' est pas la commune loolu c' est l' état. c' est quoi alors. c' est l' état ce sont des projets comme lu mel ne ne ay Promoville lu mel ne ne ay projet ay PACASEN lu mel ne ne projet des dix villes lu mel ne le plan de développement touristique yooyu ñoom ñooy projet yi nga xam ne ñoo nekk di déroulé wu ni muy amee ci Saint-Louis noonu la amee ca Louga noonu la amee ca Kaolack noonu la amee ca Fatick feneen ak feneen parce que ce sont des projets de l'État même lampe solaire yi ngay gis c'est l'ANER c'est pas un projet de la commune tey li ñuy xaar non non c'est c'est c'est c'est pas la commune tey un maire on s'attend à ce que mu mën am un budget lijjanti avec la coopération décentralisée à travers le partenariat public-privé et e yeneen i yeneen cycle de financement mu mën ko exploiter ba mën ci defar ay investissement mais bu dee dem jëli ci état rek toog xaar état jox la nga ne waa man waroon nga ma jox fukk jox ma ñeen fukk ñu jox la ko parce que goro nga mais l'équité du territorial et le développement territorial bi ñuy prôné au niveau ministériel donc war nañ ko mën a parce que équité territoriale c'est pas ça et boo ñëwee à Saint-Louis c'est pas équité territoriale mooy nga bàyyi ay quartiers yu mel ne Pikine ñu taa am ndox fees dell égo yi jàllul nga dem au même moment à Ndiolofène wala à Balakos parce qu'il y a des adjoints au maire et le maire nga def pavage intégral presque seen seen artères yi defar tali yi daal di assainissement daal di taxaw foog ne ne lool mom moy équité sociale. kon da nga bëgg wax discrimination am discrimination y en a à Saint-Louis et ce sont dans des projets de l'État encore une fois su fekkee ne ne tey mën nañu rek valablement ñu ne projet bi ni nguur moko def commune bi mën na jël capitaliser ko donc xamna naa ne kenn gënul liggéey maire Hmm. ndax meeru Diass aéroport international ma nga fa. Hmm. bu dee loolu rek logique boobu. mais fii ah waaw fii fii déedéet fii dama ko jégalugum parce que logique bi ñuy demee ci bilan ndax aéroport yu pare xam nga tey bu ñu jëlee tali yooyu di ko wax jël lu mel ne ne ay assainissement yenn yi naan ville yi gas nañu ko fu ne état di ko def boo ko jëlee boo ko ci benn bilan maire bu boobaa kon jàpp naa ne damay extrapoler tuuti que maire ya nekk Diass liggéey na. maire ba nekk jam ñaajo ndax au moins am na fa arena hmm. am na fa centre de conférence Abdou Diouf kon xanaa kooku tamit liggéey na de la même manière kon xanaa fépp fu teer jaar maire yooyu liggéey nañ xanaa dañuy jël teer yeeg yooyu dugal ko ñoom ci seen ay bilan ka nekk jam ñaajo jël arena wa euh, conférence euh, euh, centre de conférence Abdou Diouf dugal ci bilan wam nañu arrêté parce que xam nga li état def état def nañu ko. non non non c'est pas c'est pas nihiliste tey doon na neex ci plateau bi. xanaa sax nga ni ma am benn affaire sax def na ko waaw mais man gisuma ko nañu ko wax rek. nañu ko wax gisoo dara nañu ko wax on attend de la commune que li nga xam moy insalubrité le cadre de vie nek lu reluisant lu attractif parce que lolu mom moy mission yi première kon ndar set li nga xamee ne ah ndar set na. li nga xamee ne ah, moy encombrement désencombrement la gestion de l'espace public les occupations du domaine ñu mënu ko résoudre li nga xamee ne l'éclairage public ñu mën koo résoudre li nga xamee ne ne moom les lieux de culte les cimetières et autres ñu mën ko faire. li nga xamee ne moom mooy l'éducation ñu sentir ne au moins y a pas d'abri provisoire au moins li nga xamee ne ne moom les postes de santé ñu sentir ne que au moins plateau bi mi ngi tane wala am réhabilitation mais xaaruñu ci maire mu toog nous ñu damay dem jëli ci nguur di indi parce que loolu encore une fois man je me dis que wax ko rek mooy wax échec maire bi fi actuellement parce que dañuy xaar mu indil ñu ay projets yoo xamee ne dañ koy le financement ak des choses euh, la ressource day propre c'est quelque chose d'endogène mm. parce que bu fekkee dañ ko donc tu donnes la possibilité à tous les maires ñu demaat wuti ci état boobaa état se fatigue décentralisation amul